en direct sur euh, Info. Nous sommes avec un superviseur du nom de monsieur C'est Ahmed Tidiane Pousso. C'est Ahmed Pousso. Ok. Vous êtes en direct sur le Info. Nous sommes au niveau des élections locales euh, du 23 janvier 2022. Nous voulons savoir euh, comment se déroulent les élections depuis ce matin. Bon, Alhamdulillah, je vous remercie vraiment de venir ici pour s'accorder de la situation. Mm-hmm. Euh, pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2020. Bon, vraiment, pour euh, par rapport à la situation du déroulement enfin, du vote depuis le matin, tous les bureaux sont ouverts à partir de 8 h Et de 8 h jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment, il n'y a aucun incident qui, qui est signalé. Le vote s'est déroulé correctement. Depuis 8 heures, les bureaux sont ouverts et jusqu'à à, l'approche de la fermeture des bureaux. Tout se passe très bien, les, euh, électeurs sont venus en masse et vraiment il n'y a, aucun problème à signaler par rapport au déroulement, des, par rapport au déroulement du vote. Euh, il y, a la sécurité qui est là en place et tout le matériel est complet. Euh, vraiment, je ne peux que de, ne peux que me, je ne peux me réjouir vraiment de cette situation. Et dans la mesure où, euh, vu l'enjeu des élections municipales de tout le monde sait qu'il y avait peut-être des... Euh, au départ, il y avait euh, peut-être, comme, comme je peux le dire, tout le monde peut-être craigne, peut-être qu'il y ait des violences, mais présentement ici au niveau de la commune de euh, pour le centre de il y a quatre bureaux de vote et tout le vote s'est déroulé correctement. Il n'y a aucun incident à signaler du début de 8 heures où les bureaux sont ouverts jusqu'à la fermeture, peut-être dans quelques minutes pour les bureaux de vote. Il n'y a aucun incident qui s'est déroulé, tout s'est déroulé correctement et normalement ok nous avons quelques kàddu nga teewlu ko ci Olaf. mooy euh, li nga xam ne élection locale nga xam ne am ci comme superviseur nga avons quelques c'est ci déroulement bon en tant que superviseur euh, représentant le Sénat. la commission électorale nationale indépendante qui a un démembrement au niveau départemental qui est la commission électorale départementale

maanaam mbiru organisation bi sécurité bi jaar na yoon militants yi ñëw nañ amul benn incident tey boo xam ne tey mën nañ ko wax fii ne am na fi tey lépp jaar nañu alhamdulilah rabbi alamin loolu daal lañu am si lu ñu wax en tant que représentant du SEDA au niveau du département de Kaolack. yéen foofu ñu ngi lay jaajëfal dina daje tuuti ci depuis